C'est vous dire que j'ai une grande ambition pour ce merveilleux département, le département de Podor, qui non seulement constituera avec Dagana le grenier du Sénégal à travers le vaste programme de riziculture, mais aussi et surtout la culture de l'oignon et bientôt la culture de la pomme de terre. Nous avons en matière d'électrification, mis en place une dorsale de 52 villages, dont 20 nouvelles localités, surtout dans la partie enclavée de l'île à Morphine. En réalité, dans un an, un an et demi, on ne parlera plus d'enclavement du département de Podor. Cela relèvera du passé. J'ai un programme de 2800 localités au-delà de votre département et de la région pour notre programme d'électrification rurale. Alors, nous pouvons dire que la ville de Ndioum également. À Ndioum, nous avons, nous avons repris le système électrique, système d'éclairage public et entrepris la construction d'un centre socio-éducatif. Je peux aussi dire à la jeunesse de Podor, s'il plaît à Dieu, si vous nous donnez à nouveau votre confiance, nous allons ériger un espace numérique ouvert ici à Podor. Comme du reste, nous le ferons sur l'ensemble des chefs-lieux de département et cela est un programme déjà en cours. Donc nous voulons également vous donner une antenne de l'université virtuelle du Sénégal. Dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, nous avons l'esplanade Khalifa Omar Nyan à Nyandan. Et Podor aura une part importante dans le programme régional d'appui au pastoralisme, le PROPS, mais également Podor est une zone d'élevage, nous le savons. Nous avons dans ce programme plus de 15 milliards destinés à renforcer la résilience du bétail et à améliorer génétiquement les espèces bovines. Enfin, les revendications qui datent de plus de 70 ans ont trouvé des réponses pertinentes avec le vaste programme de désenclavement du département de Podor. Cela veut dire simplement, mes chers compatriotes, que Podor sera un département émergent, avec des infrastructures à niveau, une agriculture modernisée, une horticulture destinée à l'exportation. Voilà, entre autres préoccupations, ce que je voudrais dire, mais sans oublier naturellement les autres secteurs, qui sont le secteur de la formation professionnelle. Là aussi, j'érigerai avec l'aide de Dieu un centre de formation professionnelle pour la jeunesse du département de Podor. Et nous ferons en sorte que les femmes du département, à l'image de ce qui a déjà été entamé, puissent obtenir davantage de financement à travers l'ADER avec le soutien du FONGIP pour que l'entrepreneuriat dans ce département puisse aller de l'avant. Nous nañu wax né ci walu organisation état l'âme taureau le ci royaume yi Sénégal donc zone la bo nous yag nañu xam naka comment nous devons vivre en société et comment nous devons faire pour entretenir notre commune volonté de vivre ensemble, ce qui constitue l'essence même de la nation sénégalaise. Podor est une terre de réduction réewu kham l'islam bi qui Maroc avec le mouvement des Almoravides puis le après la Mauritanie donc c'est une terre de réduction une terre de l'islam et ce n'est pas un hasard su fekkee ne waliw yu bare bare bare sëriñ su bare bare fi lañu ñu ñu nandal leen fi alcorane ñu tasaare ko à travers le Sénégal et à travers l'Afrique Cheikh Oumarul Foutiou Tall nekk na le symbole vivant alors mën naa wax aussi que la révolution Torodo qui a été faite en 1776 a été conduite par un fils de Podor, venu également de Bodé, Tierno Suleiman Bal, Mohamed Wapodor, Comme cette génération de leaders derrière moi, je voudrais la saluer, la remercier et dire à ces cadres du département toute ma fierté. J'ai salué votre unité du département de Podor ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce ras de marée. D'ailleurs, ce que j'ai vu encore d'or avant d'accéder au stade est plus important, c'est dire que votre mobilisation a été une mobilisation exceptionnelle.